thank you Studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger c'est Kalangou. Ce matin, vous êtes en compagnie de Ali Munkaila Seno et moi-même Habiba Ahmed. Côté technique, nous avons Seni Isaka et l'édition est assurée par Adama Dawaki et Rahilo Toussoumana. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien Habiba, nous avons quoi au menu ce matin D'abord de l'information avec les flèches et la revue de la presse notre rubrique entrepreneuriat du vendredi, suivi de l'écho des régions qui nous amène aujourd'hui dans les Damagaram Sunder. Nous aurons également la chronique Lotti, sans oublier le page, la page sport. L'invité du jour est Ide Issoufou Bourema, dessinateur. Avec lui, nous allons parler hein, de l'art de dessiner. Ce n'est pas tout, il y aura de la bonne musique, évidemment, 100% Mad in Niger. C'est parti pour 60 minutes d'émission. Restez à l'écoute. Sans tarder, voici les points saillants de l'actualité dans les flèches présentées par Fanta Chamsou. Bonjour Fanta. Bonjour Habiba, bonjour Seno. Bonjour. Alors pour le flash de ce vendredi, le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général, le général de brigade Abdourahman Chani s'est entretenu hier avec le ministre burkinabé de l'énergie et la ministre malienne en charge de l'énergie au lancement de la phase d'exportation de la production pétrolière du Niger. À l'issue de l'audience, le président du CNSP a conseillé à ses hôtes de voir comment mutualiser les efforts pour que ces biens précieux puissent bénéficier à l'ensemble des populations des trois pays. Le Niger devrait désormais mettre sur le marché 90 000 barils de pétrole brut par jour, qui s'ajoutent aux quelques 20 000 barils par jour qui sont déjà produits et raffinés depuis 2011 à la Souraz. La réserve des biosphères de gadebéji dans la région de Maradi compte à ce jour une quinzaine de girafes depuis la première phase des translocations en 2018 d'un groupe de 8 individus dont 5 femelles et 3 mâles. À la date d'aujourd'hui, toutes les femelles ont mis bas dans la dernière date du 30 octobre 2023 selon le colonel Dan Fatima, responsable de la réserve biosphère de gadebéji 8 autres femelles ont été transloquées l'année dernière dans la même réserve d'ici deux à 3 ans elles aussi vont se reproduire si elles s'acclimatent bien. Par ailleurs, selon l'animateur du projet Girafe, aujourd'hui les effectifs des girafes au Niger sont passés de 50 individus en 1996 à plus de 1000 individus en 2023. À Agadez, une centaine de parcelles et maisons habitées qui occupent les rues et voies du quartier Tadres ont été démolies par la municipalité. Selon Suleiman Abou, responsable service voirie d'Agadez, cette opération de déguerpissement selon la commune a pour but de faciliter l'installation du réseau électrique et celui de l'eau potable, mais aussi pour dégager les voies routières à des fins de sécurisation du quartier. Voilà, c'est tout pour le flash euh, de ce matin. Merci beaucoup, Fanta. À bientôt. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous recevons dans ce studio un dessinateur. Il s'agit de Idé Issoufou Brema. Il est étudiant à l'université Abdou Moumouni de Niamey et à ses heures perdues, il porte la casquette d'artiste dessinateur. Alors, bonjour, euh, Ide. Bonjour, euh, comment allez-vous Ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin au studio Kalangouf. Merci beaucoup et je suis vraiment heureux de vous rencontrer ce bon matin. Merci. Mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord ce titre, groupe, euh, ce titre du groupe de rap MDM Crew intitulé Mariage précoce. C'est parti. Mariage mushe go fage magana da ta mu fada yanzu mushe go fage magana da ta mu fada yanzu mushe go fage magana da ta mu fada yanzu mushe go fage ku dena aura dole uwaye aura dole uwaye mas ku dena aura dole mutane aura dole ya mushe go fage magana da ta mu fada yanzu mushe go fage magana da ta sushi go fage magana da zamu ba ku yanzu mun shigo fage ku tana a dole uwaye auren dole uwaye mas ku tana auren dole mutane auren dole ya Fage magana da samu fara ku daina auren dole domin alheri mace shi ne ku bata ku inci domin ta zafi na ta misi da kanta shi zai gyara ta in ba haka ba nan da yan watanni wata na dama za ta kwar a kanka ka ce wa kai da kanka cire a mace zuwa ga arma dole baya da amfani wa ko kaɗan kenan kulura ku gane ba a dole sai ya so bale da shekara ta zama wai ba wani fage domin mu kara zancen insha Allah muna nan bisa hanyar gaskiya ba za mu kauce domin Allah na tar da dun mai gaskiya kenan ku daina auren dole La vie à la bec de l'audace de sa vitalité La vie est lassée de la vie avec la bande atrocité Hi, moi je ne marre de voir des filles crever dans ma cité ileta a sako da nasu chansa dignity to kaje magana je m'en gagne à fa a tsaida shi ba ka ba kullum za a samu rishe ana garin mu kuna ga shekarun ta e ba su kai ba amma za su aura ta saboda kuɗi za su ke ɗiye su a ta a azaba ta tunda ta jaba ta suda da alawai ba za ku ba ta ba ko kuma sai a ga abin da zai kai ta wai a kasha ta un enfant deux enfants mal formés déformés tous ces enfants qui n'est pas précoce de MDM Crew évoque l'impact positif que la musique peut avoir sur la société en dénonçant ces pratiques nocive qui mine la société nigérienne. Et oui, les paroles de la chanson attirent l'attention sur un problème grave tout en euh, offrant un moyen puissant de sensibilisation. En gros, MDM Crew, à travers cette chanson, montre son engagement envers le changement social. noces. c'est ce qui met là en Victime sans souci de leur vie, nos parents c'est leur vie appris. Je vous en prie, c'est avant d'agir. Évitez ce qui du coup peut être fatal. Ce n'est même pas normal pour une fille au danger maximal d'abandonner le conjugal. Zanté na hagika, zanté na leur dignité est bafouillée. I got some casson, I got some cassé, y'a des attaqués, à quatre attaqués, moi comme un cassé, quand t'as attaqué, t'as chez Gamaré, mais ça n'a y'a pas ta mourir, à t'as attaqué, à mon dos à camo, ça l'est, c'est gaga, à t'as été à fête à tête, il n'a pas se quitter, wow, wow, bye, toi, mais le gata, fête à tête, il n'a se quitter, wow, wow, bye, c'est mon bazar, bazar, vous n'avez pas à voir, on fage magana da za mu fara yanzu mu shigo fage magana da za mu fara yanzu mu shigo fage magana da za mu fara yanzu mu shigo fage ku na Wakambazai, Wakambazai tuzikisankotrozeke metalikalize Wakambazai, Wakambazai level, metalikalize level, levelebrai, ay ay ay Them am the I'm the night, the night Ay ay ay Method de la morale, elle aille, MDM crew C'était Mariage précoce des MDM Crew. Retour au studio pour notre entretien avec Idé, qui, je le rappelle, est étudiant et artiste dessinateur. Pour ceux qui viennent de nous joindre sur cette émission. Et eh oui, euh, rebonjour. Bonjour. Alors, euh, quand avez-vous commencé le dessin Et avant tout, euh, pourquoi le choix du dessin ce dessin. La raison pour laquelle euh, j'ai pu euh, essayer de choisir cela, bon, ça fait des années que j'avais l'impression d'y être parmi aussi les artistes. Et je me demande souvent, mais comment puis-je euh, être solidaire et aussi prendre des crayons en amusant, faire des dessins, d'abord pas des classiques. Et je vois des gens qui réussissent à faire des portraits géniaux. Et je me dis souvent, mais, mais vraiment cela, ça m'intéresse. Donc de là que j'ai commencé par être passionné de cela. Avez-vous suivi une formation pour ça ou c'est justement ce que vous étudiez à l'université Non, pas, pas du tout. C'est juste les études. ok Genre, euh, est-ce que vous avez suivi une formation de dessin Non, non. Ok. C'est inné en vous C'est naturellement comme ça Naturellement, parce que je suis euh, passionné de cela. Ok. À dessiner, parce mhm. que je me sens à l'aise tout en dessinant. Depuis ton temps enfance Oui. Ok. Alors, euh, depuis que euh, vous avez commencé, est-ce que vous avez une fois eu peut-être, parce qu'il y a souvent euh, des formations de, de dessin qu'on lance sur les réseaux sociaux. Avez-vous une fois eu à participer à ce genre de, de formation Bon, j'ai pas pu participer. Ok. Mais j'attends et ça m'intéresse beaucoup, hmm. puisque il y a des matériaux qui manquent de l'art. Mhm. J'ai l'impression de, et de participer, mais avec les manques de matériaux, ça ne peut pas me permettre d'y participer, puisqu'il aura des choses qui peuvent toutefois réussir, parce que eux, ils ont presque tous les matériaux. Hmm. Donc, euh, Comment gérez-vous l'équilibre entre la créativité et le titre? Bon, de là, il faut euh, gestion de temps. Parce que le fait de dessiner, ça ne peut pas m'empêcher d'étudier également. Hmm. Ça ne peut pas m'empêcher de faire mes propres besoins. Hmm. Donc cela dépend du programme. D'accord. Oui, allez-y, Abiba. Quels sont les différents styles de dessins que vous faites Bon, genre des portraits, des paysages, et ainsi de suite. Mm, tu, peux nous montrer déjà euh, ce que vous avez eu Ici, nous avons mhm. euh, les portraits. Ok. Ça, je l'ai fait maintenant, ça fait à peu près deux jours. Deux, jours. Oui. Là, c'est Ibrahim Traoré. Euh. Ibrahim Traoré que j'ai Ici, je ne peux pas dire que c'est à 100%, mais... Mhm. Tu peux soulever ça. Voilà, il y a la caméra. Nous avons notre équipe numérique qui est avec nous. Voilà, ils vont, ils vont filmer cela. <laughs> Voilà. ouais. C'est joli, hein euh, Je t'ai vu avec euh, un tableau, là. Ça aussi, ah c'est votre œuvre Oui, oui, exactement. OK peut voir Notre monsieur Lamine Ah, ah ouais. C'est magnifique. le premier ministre. <laughs> oui. Et je vois qu'avec un euh, simple crayon comme ça, bon, hmm. j'ai essayé parfaitement, mais il me manque des matériaux. Ok. Et ça, je prie, si je peux y arriver à avoir les matériaux, je sais que ça peut y aller plus que ça. Ok. Et ah. ça, c'est avec des crayons simples que vous avez simples, dessiné. Des HB et HB2. Ok. Hmm. Puisqu'il y a des crayons HBD jusqu'à 9 et des G8. Super. Alors, comment choisissez-vous les sujets ou les thèmes de vos dessins Pour choisir euh, les sujets et les thèmes de nos dessins, hmm. bon, à travers l'actualité. Ah, ouais, ça se voit parce que <laughs> là, on voit euh, euh, Ibrahim Traoré, on voit également Assimi Guetta, on voit. et Salif Moudi. Salif Moudi, waouh! Ah, ah non, montre ça, montre ça à l'équipe numérique, soulève un peu, ils vont voir de près. Voilà. Je rappelle à nos chers auditeurs euh, qui nous suivent que nous sommes également avec l'équipe numérique qui est en train d'immortaliser ces moments, n'est-ce pas Alors, euh, on continue avec euh, nos petites questions. Expliquez-nous le processus de création de l'idée à la réalisation de l'œuvre. Comment ça se passe Cette procédure, bon, ça se poursuit étape par étape. Tout d'abord, il faut passer par l'observation. L'observation, ok. L'observation, lorsque je parle de l'observation, puisqu'il y a des éléments nécessaires qu'il faut bien observer. D'abord, un bon artiste, il faut d'abord observer les yeux. Mhm puisque avant de commencer un portrait, il faut passer par les yeux. D'accord. Ce sont les éléments essentiels, plus le nez et la bouche. Donc vous observez d'abord les yeux de la personne de la question et le nez. Ah, ouais, Parce qu'une fois que la personne rate le nez, mhm. c'est-à-dire les éléments essentiels, ça mhm. ça c'est pas un portrait. D'accord. Que deviennent vos réalisations Elles sont exposées, vendues ou rien de tout ça pour le moment Bon, pour le moment, non. Ok. Justement, c'est quelque chose que j'essaye de faire tout le temps pour la capacité, juste pour tester mon expérience. Mhm. Mhm. Ok. Et voilà, j'aurais appris que vous avez également dessiné le, le général Tiani et que vous lui avez transmis cela, n'est-ce pas Oui, oui, exactement. Ça fait euh, à peine euh, deux ou trois mois. Mhm. C'était pendant les vacances mhm. que j'ai décidé de faire son portrait. Je lui ai amené. Et ils ont vraiment apprécié. Parce qu'en ce temps, pendant ces moments difficiles, c'est pas du tout facile <laughs> <laughs> de le rencontrer. Mais d'après l'appréciation, ils m'ont pu permis d'y aller. Mais malgré tout, j'ai pas pu le rencontrer, mais à travers ces protocoles. Mais de là, ils m'ont promis de m'appeler si possible. Mais jusque-là, je n'ai reçu aucun appel. Super. Très intéressant tout ça, mais nous allons devoir marquer une courte pause pour laisser la place à la revue de la presse présentée par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno. Bonjour Habiba. Bonjour Nafissa. Quelles sont les nouvelles ce matin alors, Habiba, avec la mise en production d'Agadem 2, le Niger passe de 110 000 barils par jour, dont 90 000 destinés à l'export, titre à la une le journal Actu Niger. C'est donc le 1er novembre que le Premier ministre Ali Mohamed Lemilzen a procédé au lancement officiel de la mise en production du projet intégré à Monte et Aval de la phase 2 d'Agadem dans la région de Difa. Selon le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mohamed Mustafa Barké, l'attribution du bloc pétrolier d'Agadem en 2008 a eu comme ambition d'accélérer et d'amplifier les bénéfices pour notre pays et son peuple de la mise en valeur de ses ressources pétrolières. Ce sont désormais plus de 90 000 barils par jour du pétrole brut qui seront destinés à l'exportation, en plus des premières quantités alimentant la raffinerie de Zender, a précisé le ministre Barquet, avant de souligner que pour atteindre cette nouvelle étape, notre pays a dû réaliser l'un des plus grands investissements de son pays avec euh, un coût total de plus de 3 milliards de francs CFA rapporte à Actu Niger. Et pour le ministre du Pétrole, les recettes directes attendues de l'export vont contribuer significativement au développement économique de notre pays. Alors, euh, sa tentative de infiltration du président déchu, euh, 23 personnes civiles et militaires interpellées et d'importantes sommes d'argent saisies selon le procureur près. Euh, la cour d'appel de Niamey nous informe le Sahel. En effet, c'est nous, selon les explications données par le procureur dans le point de presse qu'il a animé le 30 octobre dernier, cette tentative d'évasion la nuit du 19 octobre dernier du président de Chu Mohamed Bazoum est bel et bien réelle et non une mise en scène comme le pensent certaines personnes. Ainsi, le procureur général a révélé qu'une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ont permis la découverte de 108 millions de francs CFA et des fortes sommes en Visas étrangères, en plus de 2000 grammes d'or et divers articles. 23 personnes civiles et militaires ont également été interpellées, rapporte le Sahel. Le procureur a précisé que dans le cadre de cette affaire, les interrogatoires des interpellés se poursuivent et à la fin, la juridiction compétence sera saisie et chacun des suspects répondra de son acte. L'actualité, c'est aussi les États-Unis qui soutiennent la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, souligne Info. Et eh oui, c'était lors d'une visioconférence avec des journalistes nigériens le mercredi dernier que la sous-secrétaire d'État américaine a chargé a indiqué que les États-Unis d'Amérique décident d'accompagner le Niger vers une transition reçue. Selon Mme Molifi, je cite, Nous avons été de bons partenaires et nous souhaitons le rester avec le Niger et son peuple. fin de citation. Elle ajoute que son pays est prêt à reprendre les volets suspendus de son aide, y compris sur le plan sécuritaire au moment opportun. Pour y arriver, elle plaide pour une transition courte de deux ans et surtout des discussions franches avec la CDAO et les partenaires du Niger. Cependant, elle précise que la reprise des coopérations des coopérations non humanitaires est conditionnée au retour à l'ordre constitutionnel. Et pour reprendre à ces coopérations, il faut que le CNSP clarifie les mesures à prendre pour rétablir l'ordre constitutionnel, pour retourner le pouvoir rapidement aux civils et rétablir la démocratie. Pour ce faire, suggère la diplomate américaine, le CNSP doit travailler avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'heure est venue de chercher des solutions avec la CDAO, dit-elle. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nefissa. Merci infiniment Nefissa. Revenons à nos moutons avec euh, notre invité Issoufou Bourema. Alors, euh, nous parlions de vos œuvres, bien évidemment. Issoufou, avez-vous un atelier de création Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques des clients Bon, il y a des fois où, en faisant le portrait, Mhm. Il y a des clients qui viennent, ils sont vraiment intéressés à ça et ils demandent si je peux aussi produire euh, le portrait. Et là aussi, c'est une opportunité pour moi d'accepter et de pouvoir attribuer plus. D'accord. Nous savons tous que les œuvres de créativité sont uniques et peuvent coûter un peu cher. Est-ce que les tiennes sont accessibles Bon, pour moi, je voulais dire. Bon, pour moi, pour le moment, je n'ai pas mis préfixes parce que je ne travaille pas pour euh, l'argent. Non, non. Je contribue juste pour, euh, disons, je voudrais le faire pour contribuer au développement du pays et non pour de l'argent c'est gratuit. C'est gratuitement. Tu vis juste ta, ta, passion. Eh, votre passion, excusez-moi. <laughs> ok, d'accord. Euh, mon expérience. mon portrait. ça, il n'y a pas de problème. <laughs> Alors, quels vous le méritez. D'accord. <laughs> quelles sont euh, les principales difficultés auxquelles les dessinateurs sont confrontés dans l'industrie artistique, selon vous Selon moi, les difficultés où ils se sont confrontés, d'abord, les manques de matériaux. Hmm. D'abord, et aussi euh, sans oublier les critiques. Parce que depuis que j'ai commencé à dessiner, il y a toujours des gens autour de moi qui me mhm. critiquent. D'abord, nous sommes dans un pays où mhm. la religion s'impose. Donc, euh, chacun de nous dit que le fait de faire un portrait d'un être humain, que c'est pas du tout bien. Hmm. Hmm. Mais cela ne me convient à rien. Parce que même si cela n'est pas d'importance, il faut toujours prier le bon Dieu pour qu'il puisse nous conduire sur le bon chemin. C'est mm. l'essentiel. C'est l'essentiel. Et là, je peux toutefois dire, s'il y a manque de matériaux. Oui, manque de matériaux comme quoi Comme euh, par exemple ici, ce sont des crayons HB. Normalement, il y a des crayons uniquement pour les portraits. OK. Mais grâce à ces crayons également, j'essaye de foncer pour faire sortir les lumières puisque lorsqu'on parle de lumière, il y a des gens euh, et teint clair et mhm. tout. Donc, euh, d'abord, c'est une question qu'il faut se poser. Mais comment arrive-t-il à utiliser crayon, les crayons simples Simple, et jusqu'à faire sortir même les lumières, euh, le teint noir ou bien teint clair, tout ça. Donc, euh, tout ça aussi, il y a des crayons qui peuvent apparaître, tout ça. sont vos, Quelles sont vos attentes dans ce domaine Bon, de l'art, je prie pour que si vraiment ils peuvent m'aider, toutefois, à voir ces matériaux, ça sera quelque chose de plus important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du monde, puisque si on prend le Niger par exemple, eux, ils ne font que s'intéresser aux autres pays, de dire qu'il y a des tales, mais ils oublient notre pays. De là, qu'est-ce que je veux dire Je voudrais dire, si je peux avoir des gens qui peuvent m'aider vraiment à aller plus loin dans ce domaine, ça serait plus fiable parce que aujourd'hui, si on lance un concours de dessin par exemple, mhm. je peux m'intéresser et participer. Et si je gagne, si on dit c'est idée Ibrahim, oh idée faut vraiment, là c'est le Niger, c'est pas moi uniquement. Oui, Donc c'est ça. Donc il faut aussi aimer le travail dont tu fais parce que même si tu tu es passionné de ça, et si tu aimes pas ce travail, alors c'est comme zéro. Ok. Merci Idé Issoufou Bourema. c'est fait un plaisir de vous recevoir dans notre émission Les Niger sur Kalangou. Nous vous souhaitons excellente journée et bon vent dans votre domaine artistique. À bientôt. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Notre émission se poursuit avec l'entrepreneuriat féminin. Oui, Abiba, le sujet d'aujourd'hui euh, nous conduit dans la région de Dosso pour parler de commerce avec Madame Hawa Adamou, hein, veuve et chef de ménage. C'est grâce à son commerce de produits saisonniers et autres qu'elle pratique qu'elle a élevé ses enfants. Chaque semaine, elle s'approvisionne au marché hebdomadaire de Dogondouti, ce qui lui permet de couvrir la semaine dans son village gourou Hamablat, situé à quelques kilomètres de la ville. Hawa Ousmane l'a retrouvée au marché de gourou. ika ka habo tes kiri to so to girma je kan ka habora shin wa amal ba giri wara kigo ka habora habku ran ka habku ni ka so ka habo go sandi yi go gidan gami di ka fo is ka gam habo ab sandi amma habo go kan har ku ni ka har ku ni ka har ku ni ka habo to wane kin go diwo hay kwara wo ifono bota bunu imo koi kan fatauki aho aran ko kanya san munan fu eh ne woni sam mota ka kada funda ko ni imo man dai ne wo kiza ko hamad ta patwa ka nera <laughs> son botu ga wo ifo no aran ga teda ga su ga ni ganda ai no ga dai ga ka don ga su ga gwambo ka kwaranti sun <laughs> magana ran ga sako dai sako zan yi tunin dai zan yi aran mai ya gasan ya kwanda fugunar kwai wallahi ma za ko fugunar motin rodar zan. in kwaki ya kan dare wani afo dalgwai afo waranka da habo markan wai inera dal gugu satare no gade satare no gande wani bai wai gaze ne ino i ka kake kino zan kai ce ku kwanda a home so ndarin sa ko sambo mm. girma ginarin kala gane aran gane daga banan akti ce bakwai fo a home bakwai fo zam dal gugu dal gugu akti girbiya wani selman mai ni gidan gabe da habo bokar mo iga ka ka habo sino kar mo igidan kam kam ka to on sani ko na aran ko gudu ne ran dai wora ne ran doya kai go mun hafa zam zan kai ne ba su yi wazan wai barkin do gono so guna yi ne ai zai go zan kuno ai kunyu kai kunyu bu ai mani yi mo za wai bu argon guna du bu klikina ai ni man da me yi gandi fatan ko wora nai ni yi gandi so akin dai sai kwada hinne naigo gumware ndimo iriko msaibu kuimanda mfunda adi kuzuri anga naigo amira amira amira amira Direction les Armaganda pour retrouver Tiemogo Bambarese qui nous chante Seni Kunti. Et oui, a dédié cette chanson à l'ancien président, le général Seyni Kounché, décédé le 10 novembre 1987. Ce titre est un véritable hommage à la mémoire de ce grand homme d'État nigérien. En honorant la contribution et le leadership de Kunti, Bambarese nous rappelle l'importance de préserver l'histoire et la culture de son pays à travers la musique traditionnelle. Voilà, c'était la Tiemogo Bombarese, Place à l'écho des régions qui parlent d'une vieille pratique. Oui, au Niger, dans l'état, les communautés se retrouvaient dans une place bien déterminée collectivement pour manger, chacun apportant son plat. Mais aujourd'hui, cette pratique de cohésion sociale tend à disparaître. Reportage dans la région de Zander, plus précisément dans le département de Matamei, signé Habou Sarkisale, notre correspondant. La paix et la cohésion sociale dont jouissait le Niger pourraient être sans doute liées à certaines pratiques ancestrales entre les communautés, dont, entre autres, les retrouvailles dans une place bien déterminée où chaque chef de ménage apporte son repas pour manger ensemble à sans distinction sociale. Mais aujourd'hui, cet atout est en voie de disparition. Suleiman Aboubakar Jibril, âgé de plus de 90 ans, a bien profité de cette pratique qui raffermissait le lien et la cohésion cohésion sociale. Cependant, il regrette sa disparition progressive. A namu na gargajiya ina da abun shekara 93 zamanin da da muke gamuwa a ci abinci wuri ɗaya na haɗin kai ne. Saboda in ka zo ko gidanka ba a yi ba, za ka ci. za ka iko da ɗanka da ɗan wanka da ɗan ƙananka da ɗan makwabcinka amma yanzu da ke duniya ta canza mun da san kai da ƙin kai duk ya ga wuri ɗaya ana cin abinci tare kamar zamanin da ne da aka yi rumbun tsimi to wannan gamuwar da ake ana yi yana kawo zankon zumunci sosai gari in baya ci gaba da irin wannan baya ci gaba abin da muka shina amma yanzu C'est ont vu leurs parents manger en groupe confirme de la rareté de cette pratique, notamment en zone urbaine. Selon eux, c'est à cause de l'individualisme qui occupe la nouvelle génération. in ka kawo abincin naka ka gama da wani wani wani mai dan ne wani ya yi ka ƙarfi abincin gidanka wani biya ci ba tsakanin matan ma sai samu matsala yau da gobe wani bata kawo abin kirki wannan wani kullum tana kawowa in ka gani wani wata zamantakewa ce ta yanzu ya zama individualism ne ya zama kowa kawai nashi ne daga shi he nashi kawai kuma rashin wannan cin abincin na taron wannan ya kawo gurɓace-gurɓacen al'amura da yawa harkar tarbiyya ta yara. A game da batu na wajen cin abinci na jama'a irin na da da yanzu ba a yin shi saboda mutane abubuwa da yawa suka kawo suka cusa a cikin wannan lamarin na cin abinci na farko babu haɗin kai rishin haɗin kai ya taɓarɓara mana duka harkoki da yawa wanda a yanzu wannan zamanin da muke ciki da harka ta jagule bayan wannan yanzu wannan mai ƙarfi ne wannan mara ƙarfi ne makwabci da makwabci an suna yin matan abincin hekaji ji wasu dogungun masu na hutowa daban-daban kala ana yi a hwasa in aka hwasa kaga wannan matsala ce ta samu a tsakanin makwabci da makwabci bayan wannan shi wannan bayan Allah da shi daga gare shi babu wata matsala kai daga gare ka babu wata matsala to daga wurin iyalinku ne za a samu matsalai ni ne ne harkar mata kai uban iyali ne wancan uban iyali ne wancan ya zo wannan ya zo wancan ya zo to ɗiyan kuma an suka taso suka ga kanku a haɗi to wannan rarrabuwar kawuna babu ita kenan tarbiyya ce kuka ba ɗiyanku tun suna ƙanana har su girma sun ga kanku a haɗi kenan an babu wannan tarbiyya su ma da suka taso wa'annan ƙanana? kansu a watsi to bai yiwa su Dans tous les cas, cette pratique en voie de disparition reste incontestablement l'une des meilleures voies vers la cohésion sociale. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Kalamb chers auditeurs, tout de suite les sports présentés par Hassoumi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour Abiba, bonjour Sino. Bonjour. Alors, cette sélection africaine dispute leur match au Maroc pour les éliminatoires de la Coupe euh, du Monde 2026, n'est-ce pas Grouza Ah oui, Sino. La Tanzanie, l'Éthiopie, la Sierra Leone, la Guinée, l'Ouganda, le Burkina Faso et le Niger vont jouer leur match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. <coughs> Dès le 15 novembre 2023, l'Éthiopie sera face à l'équipe de Sierra Leone. Le 17 novembre, la Guinée croisera le fer avec euh, l'Ouganda. Et le même jour, le Burkina Faso défiera la Guinée-Bissau. Le 18 novembre prochain, ça c'est le tour du Niger, le Mina du Niger sera face à la Tanzanie au stade de Marrakech. Et le 21 novembre, 2023 encore, les poulains de Ou Ibrahim euh, seront en confrontation avec la Zambie pour leur euh, deuxième euh, sortie. Grouza, les cyclistes nigériens participent au Grand Tour du Faso. Oui, Abiba, les jeunes Nigériens cyclistes sont depuis quelques jours au Burkina Faso pour représenter le Niger à cette course de vélo qui a été initiée il y a 30 ans. 30 ans, c'est Beaucoup, hein mhm. Malgré le manque d'expérience, les Nigériens essayent de s'adapter à cette compétition. À la septième étape, notre ambassadeur Mamadou Issoufou est arrivé à la 58e place et Ibrahim Seydou la 31e place sur 64 coureurs. C'est pour vous dire que les Nigériens sont partis pour vraiment avoir l'expérience de la course. Ça c'est vrai. La CAF a dévoilé la chanson officielle de la 34e Coupe d'Afrique de football. Oui, c'est nous. Euh, la musique a pour nom Aquaba. Aquaba signifie bienvenue en Côte d'Ivoire. Cette chanson sera vibrée. Les supporters, fera vibrer les supporters tout au long de cette coupe qui va débuter du 13 janvier au 11 février 2024. La chanson a été réalisée par le groupe ivoirien Magic System, l'icône et l'icône de la pop euh, égyptienne, Mohamed Ramadan, et la diva nigériane euh, Yemi Alade, euh, donnant ainsi naissance à un nouveau morceau qui transcende les frontières et les cultures en mettant là en scène une Afrique unie. Voilà pour le sport, euh, cher euh, Abiba. C'est nous. Merci, cher <laughs> Merci hein. eh, avec euh, la chanson là. Ah oui, ça fait vibrer en tout cas. Ah, <laughs> <laughs> et tout en espérant que nos chers amis fidèles auditeurs et auditrices ont également bougé sur cette belle sonorité musicale prévue pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique. Alors, à présent, la rubrique Portrait du jour s'intéresse aujourd'hui à Safia euh, Oumarou, dénommée la petite griotte. Elle pratique le griotisme depuis son enfance. C'est un métier qui existe depuis la nuit des temps en Afrique, mais également au Niger. Elle fait l'éloge, chante les prouesses des vainqueurs, raconte l'histoire, vante les mérites d'une catégorie de personnes.

Je fais l'éloge des gens en mettant l'accent sur leur lignée. Celui dont je chante les louanges, c'est qui je suis. et c'est que je suis une griotte. je vais des cérémonies en cérémonie. Baptême, mariage et même les réunions politiques. Quelle qu'en soit l'heure, matin comme soir. Ça fait plus de neuf ans que je fais ça. Et je l'ai hérité d'ailleurs. Et à mon avis, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre s'approprier quelque chose que j'ai hérité, je me suis dit que je vais m'y mettre et représenter fièrement mon héritage. C'est pourquoi je fais ce métier. Et je me suis d'ailleurs mariée à un griot. Oui, mon mari est griot. Il joue plus du tam-tam, lui. Donc je peux dire que grâce à cette activité, je me suis mariée, j'ai des enfants et je suis bien à tous mes besoins. Je m'habille, je mange, j'ai déjà été invité dans plusieurs villes comme Colman, Tiran, Tilaberi, Hamdallah, Dargol, Karma, Namaru, et je vais partout où je suis invitée. En tant que femme, comment tu arrives à exercer cette profession parmi les hommes Oui, je me sens unique et exceptionnelle. Je travaille parmi les hommes. Partout où un homme peut aller et gagner quelque chose, j'y vais aussi. Même parmi 100 hommes, je peux rester sans être gênée. Être la seule femme parmi eux ne me dit absolument rien. Dans cette profession, as-tu été une fois frustré j'ai jamais eu peur quand je fais mon activité. Moi, je ne crains rien. Je ne me suis jamais senti incapable, sauf peut-être sur quelques aléas de la vie. Bien sûr, un être humain peut tomber dans un endroit où on l'aime et dans un autre où il n'est pas aimé. Et chaque être humain est susceptible d'avoir des ennemis. Qu'est-ce que tu as eu dans ce métier je rends vraiment grâce à Dieu. Et aujourd'hui, même si je rends l'âme, mes enfants ne mourront pas de faim. Grâce à cette activité, j'ai beaucoup gagné. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce métier Dans la vie, il y a toujours des difficultés. Et si un griot te dit qu'il n'en rencontre pas, c'est qu'il n'est pas sincère avec toi. Est-ce que tu as préparé la relève Franchement, je voudrais que la lignée s'interrompe à partir de moi, car j'ai remarqué que cette génération n'est pas si généreuse et je ne veux pas que mes enfants soient grillés. Avec ce que je gagne, je voudrais faire le maximum dans l'éducation de mes enfants. Je voudrais qu'ils aillent à l'école pour que plus tard ils deviennent des hauts cadres, qu'ils soient bien instruits et aussi pour qu'ils nous fassent des invocations une fois qu'on ne sera plus là. Quand tu étais jeune, tu suivais des griots quand j'étais petite, je suivais une griotte qui s'appelait Gambi, la femme de Djelba Bagui, le griot. J'ai grandi avec elle, j'ai beaucoup appris avec elle, j'ai connu beaucoup de gens grâce à elle. Et après, j'ai préféré prendre mon propre envol. Et je la remercie encore et je lui souhaite avoir une longue et heureuse vie. Grâce à ce que nous faisions, beaucoup ont pris goût au griotisme ils s'y sont mis sans même l'avoir hérité. Mais ce n'est pas la même chose, bien sûr. Il est très facile de différencier celui qui l'a hérité de celui qui s'est juste lancé. Quel est ton message à l'endroit des autres griots Je nous souhaite vraiment d'avoir une belle fin et surtout qu'on arrête de harceler les gens. Il y a des gens qui se sentent génies de dire qu'ils n'ont rien sur eux quand ils n'en ont pas. Donc il faut savoir quand s'arrêter. Il faut vraiment qu'on mette de la discipline dans notre métier. Que mes autres frères griots mettent aussi du sérieux pour que le métier soit respecté. Surtout quand on passe plus de deux ans dans ce métier. Moi j'en connais qui en ont même fait plus, un, qui ont vu nos parents naître alors qu'ils faisaient ces métiers. Donc qu'ils tiennent compte de tout ceci. Voilà, c'était là euh, notre star du jour, Safia alors, chers auditeurs, bouclons ensemble notre playlist musicale tout en restant dans la couleur traditionnelle pour cette fois-ci retrouver l'un des baobabs de la musique traditionnelle nigérienne. Il s'agit du feu Hamad Abdié. C'est parti. <laughs> بسم الله سبحانه ilahi mudala alabana beli ala kidama Thank you.

C'est non De quoi parle la chronique Loti eh oui, euh, ces derniers temps, on constate une variation de température entre la journée et le soir. Et en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison, n'est-ce pas Fanta et Rakia Arimi. Hey nan ba ne nike gani yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san Adnan ne ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm, ikon Allah na wai kina da lahiya kuwa ke baki san cewa ba wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheda ba hmm, kya ji barira ita sheda har da wata cuta gare ta sabon salo kenan ke ban son shasharatu kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da ƴata ta kusa rasa rayuwarta to wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina likita bai ce miki ba da yar kimina na fama ne da cutar huhu ai ita ma cuta ce ta sheda ke an yi haka kina da gaskiya amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba to malama bari in gaya miki ya baki sabili bai baki sabili ba bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fufu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan tsakaninki da allah barira a bari in kama jikina kai adinan wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya ai ciwo abun gudu ne ke tsaya tsaya nana bari zaki har rana ya fito ki yi mishi wankan sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma wa'anda aka sarrafa su da kaɗa ki kuma sanya musu hula da sosaiti sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. Da lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda nan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannan ki da kulawa. tofa in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. Fanta Chamsou et Arimi pour vos conseils. Place à Tarnan Foudé Ahmed pour la culture linguistique. Bonjour Tarnan. Bonjour Habiba, euh, bonjour Seno, j'espère que vous allez bien. Ouais, oui, ça va, bien. Alors aujourd'hui, Tarnan nous explique euh, le mot corruption. Oui, effectivement, euh, Aujourd'hui, on va parler sur la corruption. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans les dessins pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières, pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. La corruption conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou l'enrichissement de l'organisation corruptrice. Quand on dit organisation ici, on peut évoquer les cas d'un groupe mafieux, d'une entreprise ou d'un club. Hmm. Ces mots reviennent ces derniers temps au Niger. Euh, on en parle beaucoup, la corruption au Niger et la volonté de lutter contre cette pratique à travers une nouvelle institution dénommée Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale créée par les autorités de la transition. maintenant en tamashek corruption ça veut dire shichi meda e watnanga ntaga se meda watnanga ya mostar recetta gala da gargasan amma sawe wasanan shachin da kuma chakaw shane star ne girgis amma sarwa awe wasanan nazarf da kanin shane da ne ke wini te fraga ken sharushin nan majalan na tawaya dagni jarre la ya da na gala kamalan corruption corruption ken sane niyyatan te bullanta dal khale kewa e shicca gen kana tafoy dinar cananka amar di muzaran gasta ballanan felinki hmm. inki san khsaran fakan du sharushian hmm. won te bullande shicci me de watnanga to tan mert <laughs> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en français, en hausa, en tamashek ou en fulfulde. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 84. Je répète encore 82 89 89 84. Voilà, c'est le numéro, chers auditeurs. À présent, voici les messages de nos auditeurs. alhaji wadda fi sani da Eh, nan ga jamhuriyar Nijar kuma mazamni ne a nan unguwar karkara daidai station da magaram. Gaskiya shirye-shirye da ake gabatarwa a nan ga studio Kalon shirye-shirye ne masu inganci kuma masu faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Eh, domin a cikinsu akwai dukkanin eh, nau'ikan irin abin da ake da bukata a cikin rayuwar al'umma cikin rayuwar ɗan adam Eh, musamman ma kuka ɗauka wajen ɓangaren mu matasa akwai shirye-shirye dama wanda ake gabatarwa wajen ɓangaren matasa akwai kuma shirye-shirye wajen ɓangaren kiwon lahiya ko kuma mata da ake gabatar da nasu shirye-shirye eh, akwai ɓangare na eh, labarun wasanni haka ko kuma labaran duniya ko kuma labarun haka cikin gida da domin gaskiya tsakanin mu da mu da studio kalangu ko sai da mu ce Allah da ya sanya alkhairi domin gaskiya iyaka kokarin ta muna jin daɗin haka nan kin sosai yadda take yi na gode da kokari da aka yi mana Eh, ake ba mu irin abubuwan da suke nishadantar da mu kuma suke faranta mana rai sosai muke samun karuwa a dangance da rayuwar mu eh, da karshe kuma ina gaida dukkan mambobinmu na kungiyar masu kira da sauran radio eh, wanda suke zaune a nan da magaram da kuma kasa ma gabaki daya da kuma dukkanin waɗansu ma'aikata na nan studio kalangu da kuma ma'aikata na sauran radiyayyuka wainda suke haɗin gwiwa tare da studio kalangu sunana kunsiya malam mai takasu. su shugaba ta mata matasa na da magaram shirye-shiryen studio kalangu da suke yi alhamdulillah muna jin daɗin shirin su ɗari bisa ɗari sosai tunda muna karuwa da abubuwa ta fanni daban-daban musamman ma abin da ya shahe mu mu matasa bisa kan tahiyar da rayuwar mu da dai sauransu kuma muna karuwa kuma mu ma muna faɗaɗa shi a wajen mutane da dama domin su ma su samu sun ka saurara wannan shirin in ma da kwai ƙarin da studio kalangu zata yi shine bai wuce ba na bisa kan karatu na matasa na yara da kuma wani zaman banza wani shaye-shaye wanda duka ya kamata a ce su ma an faɗaɗa sensibilization bisan kanshi a ce an faɗaɗa wayar da kai bisan kanshi yanzu dai in aka ɗauka kamar ɓangaren sensibilization da studio kalangu suke yi duk lokaci zuwa lokacin wannan da ake sawa a yawa wannan mun ba abin muhimmanci ne sosai tunda abin kamar ya so ya zame mana jiki ma in dai har an ga bamu saurara ba to kawai bin ma gida ne ko kuma ko bin mu gida akwai salula a wajen mu sai dai in babu ƙaramar salula mai radio ita ce wannan bin ma saurara amma gaskiya sosai wannan abun mun bashi muhimmanci sosai muna saurara a su Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. enfin notre émission Le Niger sur Kalangu de ce vendredi 3 novembre 2023. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro. Vous étiez avec Seno et Habiba. Et oui, la technique était assurée par Seni et à l'édition, nous avions Adam Adawaki et Rahilatou Soumana. Restez branchés le week-end pour l'actu des jeunes et tous à la fada du forum de Studio Kalangu. Bye bye. Excellent week-end. Bye.